le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h euh, passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 31 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique euh, du transport urbain à Niamey. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Maïna Sarah Daniel, directeur général de la Société des transports urbains à Niamey, Sotruni. Euh, Maïna Daniel, euh, bonsoir. Avec nous également Moussa Nobila, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de minibus, communément appelé 5Bus. Moussa Nobila, bonsoir. Bonsoir. Le choix de cette thématique est parti du constat que le secteur du transport urbain reste encore à développer au Niger. En effet, la grande partie des habitants de Niamey sans moyen de transport vit trop de difficultés pour se rendre d'un point à un autre, soit pour le coût élevé de la course, soit que la desserte n'existe pas sur l'axe. Et généralement, les taxis et têtes rouges, minibus Faba Faba ou encore les quelques bus de la sauterie sont mal entretenus, n'offrant pas euh, le minimum euh, de confort. La question centrale serait de comprendre pourquoi les moyens ne sont pas encore réunis pour organiser ce secteur et permettre à la majorité de se déplacer dans les meilleures conditions et à un prix raisonnable. Daniel. Merci de nous avoir euh, invités à ce forum, à cette euh, télématique euh, qui concerne le transport urbain de voyageurs à Niamey. Vous savez, le transport urbain est un secteur euh, un peu complexe parce que c'est une question de mobilité dans la ville, dans la cité. Et la question de mobilité se pose en règle générale le matin lorsque les gens se déplacent pour aller vers leur lieu de travail ou lorsque les gens vont vaquer à leurs occupations. Il faut dire que le transport urbain n'est pas rentable en tant que tel. En fait, c'est pour ça que les opérateurs économiques et autres ne s'intéressent pas beaucoup à développer le transport euh, urbain dans les villes, dans les grandes agglomérations. Quand vous prenez euh, le transport urbain dans d'autres villes euh, que nous connaissons bien, ceux qui partent sur la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., les transports urbains sont développés. Ils sont développés parce que beaucoup de quartiers sont nés dans la périphérie. Et là, pour aller à son point de travail, naturellement, c'est une, c'est une gageure. Ce qui fait que le transport n'étant pas rentable, les gens sont sceptiques euh, à investir dans ce domaine. Mais nous pensons qu'au Niger, le transport urbain, si vous regardez un peu dans la sous-région qui nous, euh, ce qui nous intéresse, euh, dans la sous-région qui sont autour de nous plutôt, euh, nous pouvons voir par exemple qu'au Mali, vous n'avez pas de transport urbain en tant que tel, au Burkina non plus, à Lomé, à, à Ouaga, à Cotonou également tous ces gens ont commencé à développer un peu, tous ces pays du moins ont commencé à développer le transport urbain, mais se sont un peu arrêtés parce que tout simplement le transport urbain est soutenu uniquement partout où il est fait, il est soutenu par les autorités du pays. Et voilà que à Niamey, par exemple, la Sotronie existe depuis un certain moment mais n'est pas développé, mais nous essayons tant bien que mal quand même de répondre un peu à la demande euh, en priorité dans les, dans les périphéries. En priorité, c'est dans les périphéries, dans les grandes, euh, pour les amener dans les grandes agglomérations. Alors, Daniel Benessara, directeur général de la Société nigérienne du transport urbain à Niamey, quelle alternative pour pallier aux contraintes engendrées par les FAB-FABA et à l'absence de ces minibus sur certaines artères de la ville euh, vous savez, je l'ai dit, c'est une question de mobilité. Or, la mobilité, ici, ça intéresse euh, tout le monde, depuis la ville de Niamey jusqu'à l'autorité, je veux dire euh, jusqu'au sommet. Mais en ce moment, nous avons bon espoir que ce transport-là va être développé dans le cadre également de Niamey-Niala, c'est-à-dire que ça sera pris en compte pour pouvoir développer ce transport-là et faciliter un peu la mobilité dans la ville de Niamey, faire une certaine fluidité. Et vous savez que si le transport urbain est développé, beaucoup de gens n'utilisaient pas leurs moyens de transport, c'est-à-dire les voitures et autres, ils préfèrent euh, utiliser les moyens qui sont les bus qui vont, euh, qui ont des horaires bien fixes, euh, etc. Mais nous, nous avons bon espoir que l'autorité, en tout cas, mettra les moyens qu'il faut pour développer ce secteur d'activité. Parce que qui dit mobilité dit également euh, rentabilité dans le temps, rentabilité dans l'économie du pays, etc. nous pensons que, en tout cas, les autorités ont à cœur cela et cela euh, sera développé très très bientôt. Daniel sera directeur général de, de la Sotonie, à Niamey, plusieurs décennies durant, le transport urbain est resté limité sans préoccuper les différentes autorités de la ville. Aujourd'hui, en cette ère de mondialisation, quel est, vous venez de parler du programme Niamey-Niala, un programme euh, de modernisation de la ville euh, de Niamey. Quelle est la nouvelle politique de ces autorités actuelles en matière de transport urbain ça, je ne peux pas répondre euh, exactement, mais tout ce que je sais, je sais que en tout cas les autorités ont à cœur de développer le transport, euh, le transport urbain à Niamey, surtout dans le cadre des autobus, c'est-à-dire euh, dans le cadre de la Soutrunie. Nous pensons que des efforts, en tout cas, seront faits très bientôt. Parce que euh, nous avons bon espoir que dans le cas de Niamey-Niala, qui est donc euh, euh, un programme phare, programme phare du chef de l'État, ambitieux du chef de l'État, et que cela tient beaucoup le chef de l'État à cœur. Et nous pensons que, en tout cas, dans le cas de Niamey-Niala, le transport urbain, surtout dans le domaine des autobus, sera développé très bientôt dans la ville de Niamey. Et nous pensons que nous avons les compétences, en tout cas, pour pouvoir moderniser le transport urbain la ville de Niamey. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude. Pour le moment, il euh, euh, y a des, inquiétudes, mais nous pensons qu'à l'avenir, en tout cas, tout ça va, être, va être mis en place. Moussa Nobila, secrétaire général du syndicat des conducteurs de minibus euh, communément appelé FAB-FABA, pour mieux solutionner la problématique du transport urbain. Euh, des têtes euh, de taxi FAB-FABA ont désormais orné notre paysage urbain. Alors, au jour d'aujourd'hui, votre secteur compte combien de véhicules Et je remercie le studio Kalangou de nous avoir fait cette signe de nous, inviter sur le plateau et je dirais grand merci au studio Kalango. Sincèrement dit, vous avez amené un grand problème qui nous mène dans nos, dans nos tâches. Vraiment, nous sommes trop pris de difficultés envers le transport urbain ici, surtout à Niamey. Je parle de Niamey d'abord à Niamey, pas à l'intérêt du pays. Parce qu'à l'intérêt du pays, on ne pratique pas le Faba d'abord. On ne fait que le tricycle. Ici à Niamey, vraiment, on est trop pris et on a trop de difficultés. Un d'abord, pour avoir les lieux de stationnement, les places pour stationner nos Faba, vraiment, c'est une complication pour la ville. On a tout fait, on a fait des demandes, combien de fois, maintes fois, mais vraiment, la ville nous fait Oh, vraiment, c'est ça qui nous, a, qui nous touche à cœur. Pour garer nos véhicules, pour faire la ligne, vraiment, c'est un peu difficile. C'est pour cela que vous voyez que le transport urbain Fafaba, ça ne marche pas. Si la personne, ça coûte très cher, énormément cher, le coût des frais des véhicules, ça fait à peu près 5 500 000. Quand la personne met son argent là-dedans, 5 500 000, il n'en sort pas. Ça, c'est un peu difficile. Compte tenu des taxes que l'État a mis sur le transport, or que le transport est sur le dos de l'État même. Dans d'autres pays, c'est l'État qui devrait subventionner le transport urbain pour que tout le monde puisse accéder à, le faire et avoir quelque chose. Moussa Nobila, vous êtes euh, le secrétaire général de Syncobis. Que représente votre activité, la, conduite des Fab Faba, euh, pour la mobilité des citadins à Niamey Notre conduite, vraiment, maintenant, ça va compte tenu de notre euh, sensibilisation et de nos formations, on a. ce que ce que vous représente euh, votre activité en termes de pourcentage, combien de populations empruntent euh, À peu près, on a on a à peu près 65 de la population qui emprunte les, les Faba. C'est le seul la seule commune qui n'a pas de Faba, c'est la rive droite. Là aussi, on a un problème de manquement de véhicules parce que nous sommes au nombre maintenant de 400 et quelques véhicules, 430 véhicules. Ça ne suffit pas pour couvrir tout Niamey parce que nous avons beaucoup de quartiers de périphérie qui viennent d'être nés. Mais maintenant, nous souhaitons à la, ville de Niamey de songer en cas de, de réparation des routes, ils n'ont qu'à faire tout pour nous chercher des places pour les lignes, pour faire notre travail. Au niveau de toutes les quatre communes, il y a des têtes de Faba Faba Oui, au niveau de toutes les quatre communes. La commune 4 a sa, ligne. La commune 1, euh, c'est ça qui prend le petit marché de Tonbi à ton, eh, euh, Kosei, hmm. hmm. Et il y a la commune 2 aussi, vers Kwartayi, qui prend du petit marché, grand, eh, rond-point Liberté, Kwartayi. Il y le rond-point Barré aussi, cité député. Il ne euh, reste que la commune 5. La commune 5 aussi, on a commencé, mais il n'y a pas de rentabilité de la façon dont nous voulons parce que, vous savez, pour faire marcher une ligne comme ça, c'est un peu compliqué envers nos chauffeurs. Avant, c'était nous qui étions au volant. Nous avons la patience de faire mener ça jusqu'à l'activité que ça marche. Mais maintenant, les conducteurs, comme le propriétaire réclame les 15 000 francs par jour sur véhicule, et aussi, ils voient que vraiment, s'ils partent là-bas, là où il n'y a pas de rentabilité, ils n'auront pas les versements et ils auront des problèmes avec les propriétaires. Et c'est combien la course La course, ça dépend, ça dépend. La course, c'est à 125. Est-ce que c'est un tarif euh, unique Non, ce n'est pas un tarif parce que les lieux ne sont pas les mêmes. ça varie de combien ça, varie de 150, 125 à, à 250. Mmh. Et ton et ton hein. Est-ce que les nids de poules, les bouchons et autres embouteillages ne constituent pas une préoccupation pour vous Présentement, nous remercions les autorités parce que maintenant, aujourd'hui, vraiment, nous sommes entièrement fiers. Ils sont en train de colmater les nids de poules Oui, ils sont en train de colmater, mais mais la route là qu'ils viennent de faire, vraiment, nous dirons grand merci aux autorités de la 7e République. Vraiment, ils ont bien fait de songer sur la route, de, la surtout la route de Tonibia qu'ils nous a offert. Présentement, on a des problèmes dans les quartiers même. Au niveau de l'aéroport, quand tu rentres dans l'aéroport, vraiment, on n'a pas, il y a trop de trous, ça nous casse les ressorts, ça, ça nous dégrade notre, nos véhicules. Espérons que vos cris de cœur euh, seront entendus par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Daniel Maïnesra, directeur général de la Sotrunu. Vous avez quelque chose à ajouter euh, par rapport à ce que vient de dire Moussa Nobila, secrétaire général de Syncobis Oui, bon, vous savez, le transport urbain, ça implique beaucoup de choses. Ça implique également euh, beaucoup d'accidents que nous voyons avec les fava Faba, c'est de ce côté seulement que nous pouvons dire que beaucoup d'efforts restent à faire encore dans la formation des conducteurs. Parce que euh, euh, tout le monde le sait, tout le monde le voit, nous avons énormément d'accidents. Euh, souvent, ce sont des, jeunes conducteurs qui prennent les véhicules et il y a beaucoup d'accidents mortels souvent. Il y a aussi la prise de stupéfiants. Il y a la prise également de stupéfiants pour pouvoir tenir parce que et également respecter beaucoup le code de la route parce que là également il n'y a pas beaucoup de respect du code de la route. Donc là-dessus, je pense que le, secrétaire général de leur syndicat est là présent. Vraiment, il y a un effort à faire, beaucoup d'efforts du moins à faire euh, en ce qui concerne la formation des conducteurs, que ce soit sur le terrain ou au niveau du code de la route. Avant de lui donner la parole, Monsieur le directeur général de la Unie, votre parc aujourd'hui dispose de combien de bus encore en activité Il faut dire que quand on a tout le parc, l'ensemble du parc était à une trentaine de véhicules. Mais aujourd'hui, ces véhicules sont, sont assez vieux parce qu'ils datent de 1988, donc de près de, de, de, 27 ans environ. Donc, ce qui fait que beaucoup de véhicules euh, sont, sont stationnés par manque de pièces. Mais avec tout ça quand même, nous essayons avec plus d'une dizaine de véhicules euh, répondre un peu à la demande, une quinzaine de véhicules environ pour répondre à la demande de, de nos de nos clients. Mais il faut dire que ce n'est pas facile le matin parce que le matin, notre priorité le matin, c'est de transporter les fonctionnaires dans les différents quartiers euh, pour les amener à leur lieu de travail. À la descente également pareil. Et une fois que nous avons fini ces tâches, en ce moment, nous faisons un peu de suburbain et nous faisons également euh, un peu le transport dans, les marchés pour arriver dans les marchés, dans les agglomérations en règle générale. Alors, monsieur le directeur général de la Sotouni, Ministre Daniel, quels sont les différents axes sur lesquels vous êtes beaucoup présent Bon, il faut dire que nous avons privilégié les axes qui sont, les quartiers qui sont assez loin. Quand vous prenez Kwaretegi, vous prenez euh, Niamey 2000, vous prenez Harobanda, on prend l'aéroport, tout ça, c'est des quartiers qui sont un peu éloignés pour pouvoir arriver à leur lieu de, à leur lieu de travail. Donc ces quartiers-là sont privilégiés. Tout ce qui est lointain est privilégié chez nous pour pouvoir amener les gens à leur lieu de travail ou en tout cas à venir prendre euh, leurs activités. Mais ce n'est pas facile parce que souvent, lorsque vous avez des véhicules euh, qui sont un peu ancien, Vous avez des véhicules qui tombent en panne euh, à tous les coups, donc ce qui fait que euh, nous sommes obligés souvent euh, de ne pas servir d'autres quartiers, privilégier d'autres par rapport à d'autres quartiers, parce que tout simplement, bon, le matériel est insuffisant. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que nous aurons du matériel bientôt et en tout cas, nous allons essayer de répondre à la demande de, la, de la clientèle. Monsieur le directeur général de la Sotunu, Ménassara Daniel, on peut estimer à combien en termes de bus le besoin de la ville de Niamey et de la Sotunu Bon, ça, je ne peux pas vous dire exactement parce que c'est des études qui le démontrent. Hein. Parce que si vous avez des bus et que vous voulez que ces bus-là aient des horaires de départ et les horaires d'arrivée et de faire les correspondances, etc., ça, il faut beaucoup de bus. Ça, c'est des études qui peuvent démontrer combien de bus peuvent suffire pour la ville de Niamey. Nous ne pouvons pas le dire au pif, dire bon, qu'il faut tant de bus pour la ville de Niamey. Ce sont des études qui vont nous démontrer combien de bus il faut. Parce que c'est par ligne. Si vous prenez une ligne, une ligne a besoin, par exemple, d'une vingtaine de bus pour pouvoir euh, répondre à la demande euh, euh, des horaires, parce que le transport urbain implique également des horaires implique également des correspondances comme ça se fait partout ailleurs. C'est-à-dire que partout ailleurs, vous avez des bus, vous avez des lignes et vous avez également des heures de passage de ces bus-là. Vous avez des correspondances que les clients doivent prendre, etc. Il y a tout un, euh, il y a tout un arsenal à mettre en place pour pouvoir déterminer le nombre de bus qu'il faut euh, pour la ville de Niamey. Monsieur le directeur général de la Sotorie, euh, Daniel Menessara, avant, vous voyez, on remarque dans la ville de Niamey des points d'attente de ces bus-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ces points d'attente-là sont là Oui, il y a toujours les arrêts, ce qu'on appelle les, arrêts, des bus. Eh, il y a toujours les arrêts des bus ou ce qu'on appelle également des abris de bus. Les abris, c'est là quand il pleut, les, clients se protègent en attendant ou quand il fait chaud. Il y a toujours des abris, mais malheureusement, vous, quand vous n'avez pas assez de bus, ce n'est pas visible. Lorsque vous avez assez de bus, c'est visible. Mais si vous n'avez pas assez de bus sur la ligne, ce n'est pas visible naturellement. Mais lorsque nous aurons assez de bus, naturellement, vous verrez que c'est visible parce que ces points-là existent toujours. Les points d'arrêt sont toujours là. Il faut dire que souvent, ils ne sont pas desservis par euh, le manque d'assez de bus. Monsieur le directeur général de la Soutenue, quelles sont les difficultés de la ville de Niamey en un mot en matière de transport urbain euh, vous savez, les, les, difficultés, moi je dirais que nous avons des bonnes routes, hein, nous avons des grandes routes, hein, des grands espaces. Malheureusement, ces routes-là sont occupées euh, par les kiosques. C'est occupé par les kiosques, des, des, des, hangars euh, qui sont sur les bords de la route et qui occupent carrément les voies, les mais, ces kiosques ont été déguerpis il y a, un peu de temps. Non, on n'a pas déguerpi, on n'a pas tous les kiosques il en reste encore. Si vous prenez des grands axes, nous avons des grandes routes, mais malheureusement, les routes deviennent, se rétrécissent au fur et à mesure, puisque les kiosques sont, sur ces routes, les hangars sont sur ces routes. C'est pour ça que souvent nous avons des accidents, parce que lorsque la route est large, il y a moins d'accidents. Si vous avez des routes qui sont serrées par les kiosques, naturellement, les chauffeurs, ils essaient de faufiler et c'est inévitable. Ce qui arrive, c'est les accidents. Mais moi, je pense que, également, en ce qui concerne le travail sur le terrain même, nous voyons vraiment que l'autorité euh, se donne à fond parce que euh, non seulement déguerpir ces kiosques-là, colmater les trous, refaire le bitumage des routes, mais c'est extraordinaire le travail qui se fait à ce moment. C'est un coût énorme. C'est un coût énorme et c'est une question de volonté. Tout ça, c'est une question de volonté du chef de l'État. Parce que aujourd'hui, les instructions sûrement qui ont été données, c'est de faire de Niamey une capitale viable une belle capitale, peut-être même plus belle que les autres que nous avons aujourd'hui. En tout cas, c'est le souhait du chef de l'État aujourd'hui. Il faut tout simplement dire que les autorités municipales aujourd'hui à Niamey sont en train de faire un travail extraordinaire et formidable, qui est apprécié partout ailleurs. les autorités sont en train de faire un travail extraordinaire. Monsieur le directeur général de la Sotonunu, Daniel Menesra, est-ce que vous arrivez d'avoir des réunions en matière euh, de la modernisation du transport urbain à Niamey avec ces autorités, ces nouvelles autorités-là ah Oui, euh, disons que nous avons déjà eu des approches de réunion avec euh, les autorités euh, de la ville de Niamey. Mais nous pensons que euh, ces réunions-là apporteront beaucoup de choses, en tout cas, apportera beaucoup à, la soutenue, puisqu'on sait que la question de mobilité dans tous les pays sont gérées par la municipalité. La, mobilisation est gérée par la municipalité. C'est tout à fait normal puisque euh, aujourd'hui la Sotronie également, la mairie, la ville de Niamey est actionnaire dans la, dans la, dans la gestion également de la, de la, de la Donc ils sont actionnaires dedans, ce qui fait qu'ils sont intéressés euh, à plus d'un titre sur le transport urbain beaucoup d'autorités de la ville de Niamey ont quand même euh, marqué leurs préoccupations. Est-ce que cette fois-ci, avec euh, les travaux qui se font, on peut espérer que Sotrini euh, va renaître Ah oui, moi j'ai grand espoir parce que dans tous les cas, pour développer une cité, il faut un transport urbain viable. C'est avec ça qu'on peut développer une, euh, une cité. Les grandes villes se font, se construisent avec le transport urbain. Partout où vous allez, que ce soit en Afrique ou en Europe, euh, les transports urbains sont privilégiés un peu partout dans, euh, par la ville, parce que c'est la ville qui s'occupe de la mobilité des, des personnes de, de l'ensemble disons de la mobilité. Donc je pense que en tout cas avec euh, les, nouvelles autorités, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce que ce qui est visible parce que le travail, il faut qu'il soit visible que la population voit en réalité. Et moi je dis tout simplement ce qu'il faut maintenant, il y a un autre travail qu'il faut faire euh, c'est de pouvoir euh, sensibiliser la population sur les travaux qui sont en train d'être réalisés. Parce que quand vous voyez les curages qui sont en train de faire, on est en train de curer tous les caniveaux. S'il n'y a pas assez de, euh, de communication, c'est un peu difficile pour nous parce que euh, nous avons, nous avons ces, habitudes-là qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire où, les, où on, on, on, verse les eaux usées un peu partout, etc. Tout monsieur, ça. monsieur, le directeur, par rapport à la renaissance de, de, votre société, la, société, la est-ce que vous avez approché des partenaires, par exemple, les euh, partenaires euh, extérieurs euh, vous savez que on ne peut pas approcher les partenaires extérieurs. nous, c'est la, ville ou en tout cas l'État qui s'occupe de ce domaine-là. Donc, pour pouvoir avoir des partenaires extérieurs, ça c'est l'autorité qui en décide est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des pièces de rechange Bon, vous savez, une fois que les véhicules sont anciens, c'est très difficile de trouver les pièces de rechange. Mais quand même, lorsque vous ne trouvez pas, vous, êtes obligé de vous adapter à ce qu'il y a sur place. Donc, euh, les pièces difficiles et les pièces détachées des véhicules qui sont anciens de 88, c'est un peu difficile. Mais quand même, avec tout ça, on arrive quand même à se débrouiller et à faire marcher les véhicules, à faire circuler les véhicules. Moussa Nobila, secrétaire général du syndicat des conducteurs de minibus, communément appelé Faba Faba 5 bis. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire le directeur général de la Sotonou Oui, j'ai beaucoup de choses à ajouter. Rapidement Et, Rapidement. Et surtout, envers la formation. La formation, vous, vous savez bien que notre structure n'a pas grand-chose pour faire les formations. Il faut une aide de l'État. Ça provient de l'État et des ONG. Avant, c'était on a FAP qui nous fournissait le, la, formation, professionnelle pour, pour, nos conducteurs au niveau de la CFTTR. Et c'est lui qui payait toutes les charges. Mais maintenant, ça fait un bout de 3 ou 4 ans maintenant, on n'a pas ça, on n'obtient pas ça. Est-ce que vous partez vers ces, partenaires-là Bien sûr. On vous avez fait des démarches Des démarches, on a fait, on a déposé une demande qui n'a pas encore abouti et on attend le résultat. Et nous souhaitons aussi que l'État, parce que on nous avait promis pour le renouvellement du parc automobile, on nous avait promis, on a, on a eu beaucoup de réunions là-dessus pour renouveler notre parc euh, au niveau des Fafaba même et des taxis. Mais malheureusement, nous n'avons pas le poids parce que nos conducteurs n'ont pas. Il, il, faut toujours la subvention de l'État d'abord. Il faut que l'État subventionne pour pouvoir nous donner les véhicules pour travailler, pour rembourser. Mais malheureusement, l'État ne l'a pas fait jusqu'à présent. On est là. On a dit de nous constituer en GIE, groupement économique. Là, vraiment, on n'a pas les moyens. Pour monter le dossier, même, c'est un peu difficile à travers nos chauffeurs. Moussa Nobila, secrétaire général de Syncobus, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la prise des stépifiants par vos membres Oui, on est toujours là-dessus à les sensibiliser, ce qui va le coup de 18 personnes parce que un véhicule, quand il prend 18 personnes, y compris ta vie aussi en danger, en prenant des substitutions, vraiment, c'est pas bon. On est, là, matin et soir à les sensibiliser sur ça. Et présentement, vous avez vu que vraiment les accidents sont diminués au niveau de nos fab FABA. Mais il y a, a toujours l'accès de vitesse quand même. L'accès de vitesse, même, euh, bon, je peux dire dans les grandes agglomérations, il y a l'accès de vitesse, mais là où ils n'ont pas la distance de courir, ils n'auront pas, parce qu'il y a trop de circulation. Même si la personne veut courir, il ne, veut pas, il ne peut pas faire l'accès de vitesse. Vos véhicules prennent à peu près combien de, combien de personnes 18 personnes. Et il n'y a pas de surcharge Il n'y a pas de surcharge. Euh, on ne prend que 18. Chaque chaise prend 4 personnes et 2 de devant. Il n'y a pas de chauffeurs qui prennent euh, des gens en cours de route Non, quand la personne descend, y a, on le remplace par un autre. Mais sinon, il n'y a pas de surcharge. Même les clients ne vont pas accepter à rentrer surcharge. La deuxième partie de ce forum s'intéresse aux perspectives d'amélioration des conditions de mobilité urbaine et de meilleure prise en compte des besoins de déplacement des populations pauvres en Niamey. En effet, la densité et l'augmentation constante de la demande en transport urbain constituent un défi majeur pour les autorités de la ville de Niamey. Sara Daniel, directeur général de la Société nigérienne des transports urbains à Niamey-Sotruni, dans le cadre de la politique de transport urbain à Yamé. Est-ce que la mission de service public n'est pas mieux assurée par les transporteurs privés que les différentes autorités en charge de ce secteur euh, Non, je ne pense pas, parce que euh, l'État est mieux indiqué euh, pour orienter le transport de voyageurs urbains dans la ville de Niamey, parce que les autorités municipales de la ville ont à cœur justement la mobilité. C'est eux qui définissent les différents axes de la mobilité à Niamey. Donc nous pensons qu'avec tous ces quartiers qui, sont, qui poussent un peu partout aux alentours de Niamey, ils ont à cœur en tout cas d'améliorer en tout cas la qualité de services et la qualité des transports urbains dans la ville de Niamey. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, nous sommes confiants et nous pensons que bientôt, euh, ce domaine également verra le jour. C'est-à-dire que ce domaine également va être euh, un peu euh, d'actualité, va être d'actualité également, puisque nous avons vu que les autres domaines qui sont prioritaires quand même, la salubrité et autres dans la ville de Niamey, l'éclairage de la ville de Niamey, tout ça c'est prioritaire en ce moment. Le transport urbain également bientôt aura la priorité des autorités municipales de la ville de Niamey. Monsieur le directeur général de la Soutenue, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de nouveaux bus euh, il faut dire que depuis la création de la Sautronée, c'est toujours les mêmes bus que nous avons. Hein. On n'a pas de bus euh, euh, en tant que tel, donc c'est toujours les anciens bus que nous, que nous utilisons mais je pense que nous avons euh, de l'espoir euh, d'avoir encore des nouveaux bus très bientôt. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y a des doléances qui sont faites euh, dans ce, dans ce secteur ou bien des plaidoyers qui sont faites dans ce secteur Oui, les doléances, on les fait, on les a fait et je pense que les autorités écoutent, ont écouté les doléances. C'est pour ça que je dis, nous pensons que bientôt également, nous aurons quand même des bus qui vont, un temps soit peu, aider nos populations à pouvoir se déplacer dans le confort. Monsieur le directeur, selon vous, dans l'immédiat, que faut-il faire pour apporter des solutions aux préoccupations des citadins en matière de transport urbain en Niamey dans l'immédiat, euh, je peux dire qu'il euh, n'y a pas grand-chose à faire dans l'immédiat que d'utiliser les transports que nous disposons aujourd'hui, c'est-à-dire il y a les faba-faba, les taxis et le transport euh, dans les, dans les autobus, enfin disons dans les bus. Et même si c'est insuffisant, quand même nous essayons de faire, euh, de faire du mieux que nous pouvons avec le peu de matériel que nous avons en attendant de régler cette, ce problème. Et je pense que nous y arriverons, puisque en ce moment, comme je vous ai dit, euh, nous essayons de privilégier beaucoup euh, ceux qui sont un peu éloignés de la, de la cité, c'est-à-dire les quartiers qui sont périphériques, un peu éloignés de la cité, nous essayons d'apporter notre aide à, cette population-là, en attendant maintenant que nous ayons en tout cas les, les, nouveaux bus, que nous ayons des bus. Mais nous savons que même si nous avons des bus, dans tous les cas, la priorité restera toujours euh, ceux qui sont dans les périphéries nous pensons que bientôt, en tout cas, euh, ce, challenge sera levé, Inch'Allah. Monsieur le directeur, à combien coûte euh, la course chez vous 100 francs. C'est pas changé Dans la ville de Niamey, en tout cas, ça n'a pas changé, c'est 100 francs dans la ville de Niamey. Comment les clients apprécient-ils euh, ce tarif euh, Bon, les clients, naturellement, quand c'est moins cher, les clients apprécient le tarif quand, quand, il est moins cher. Mais il faut vous dire que euh, nous avons des endroits, quand vous allez à Tondibia, par exemple, parce que nous arrivons jusqu'à Tondibia, nous, avons, nous arrivons également jusqu'à Kwartegui, un peu jusqu'à, souvent jusqu'à Hamdallah. Il faut dire qu'en ce moment, les tarifs vont jusqu'à 250 francs, à 500 francs. Donc ça, c'est des... Mais en tout cas, dans la ville de Niamey, les périphéries de la ville de Niamey, en tout cas la commune de Niamey, l'ensemble de la course, c'est 100 francs la course. Monsieur le directeur euh, général de la Sotorini, euh, Daniel Mainestra, chaque année, c'est plusieurs nouveaux quartiers qui naissent à Niamey. Que faire euh, dans le moins et long terme ah oui, c'est-à-dire que euh, vous savez que le développement de la cité naturellement est, un peu difficile à gérer parce que euh, dans nos pays, nous avons beaucoup de, de difficultés à contrôler un peu. On a coutume de dire que gouverner, c'est prévoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais même lorsqu'on dit que gouverner, c'est prévoir, c'est un peu quand même délicat. Lorsque vous avez des quartiers un peu partout qui poussent, la seule solution qu'il y a, hein, hein, c'est de pouvoir euh, faire suivre un peu les transports quel qu'il soit, en tout cas, que ce soit des taxis ou des faba-faba, un peu mettre un dispositif dans ces quartiers qui sont éloignés. Il n'y a que comme ça seulement qu'on peut un peu soulager les, personnes qui sont un peu à l'extérieur de la ville de Niamey. Monsieur le directeur, votre parc est vieillissant. Euh, comment faire pour euh, entretenir euh, tous ces vieux bus Bon, comment faire pour entretenir ces vieux bus En tout cas, nous essayons tant bien que mal, en tout cas, de les entretenir. Et pour le moment, ça va. Est-ce que les pièces sont euh, trouvées sur place ou bien vous faites les commandes à ah, l'extérieur on, trouve des pièces sur place. Monsieur le directeur, euh, si les transports euh, informels comme les Fabo Faba ou les basura-basura sont autant utilisés par les populations de la périphérie, est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ne trouvent pas mieux malgré leurs inconvénients euh, oui, on peut le dire, on peut le dire. De toute façon, lorsque la personne est, euh, la personne est pressée de, se déplacer, elle utilise le transport qui est mis à sa disposition, le transport qui est présent à sa disposition. On va revenir vers vous, Moussa Noubala, le secrétaire général du syndicat national des conducteurs de minibus, communément appelé FAB FABA. S'agissant du tarif de la course euh, qui est entre 100, 125 jusqu'à 250 francs selon vous, comment faire profiter à ces populations périphériques euh, des tarifs préférentiels Vraiment, c'est déjà bon même. nos tarifs sont déjà bien parce que quand vous comparez aux tarifs des taxis, vraiment, c'est il y a une grande différence. Mais c'est pas le même confort. C'est pas le même confort, mais on a la même distance. On a la même distance. Mais quand vous, euh, vous demandez à un taxi de vous amener à Tondibi à voir, il va vous réclamer 600 ou 700. Or que au niveau des Fafa, bah, c'est 250. Donc il y a une grande différence. Pour nous, notre, notre ambition, c'est d'aider la population et de les faire déplacer, aller là où ils veulent et de les ramener chez eux. C'est ça. À 125, à 150, à 250, c'est abordable. Notre seul souci, c'est aussi les, routes qui sont vraiment praticables, surtout la cité d'Eptela. Au niveau de rond-point barré, là, il faut que l'État voit ça aussi pour nous, pour nous gratter ça un peu. Vraiment, il y a trop de difficultés, des trous. Chaque fois, on casse nos ressorts là-bas. Monsieur le secrétaire général de Syncobis, Moussa Nobla, comment les clients apprécient-ils vos tarifs Vraiment, ils apprécient abordable. Il y a d'autres qui apprécient, il y a d'autres qui... Vous savez, tous les clients n'ont pas le même comportement vis-à-vis. Tu sais, vous savez, l'être humain, vraiment, il est des fois. De temps en temps, on voit des clients qui sont vraiment mécontents. Il y a d'autres qui sont contents du tarif. Monsieur le secrétaire général euh, du Syncobus, est-ce que euh, les tarifs sont fixes ou bien vous discutez des tarifs avec euh, les clients Non, les tarifs sont fixes. Pour au, tout niveau le au niveau de chaque ligne, les tarifs sont fixes. Il n'y a pas de discussion avec les clients. Sauf au moment, là où, le moment où on réparait les routes, là, il y a eu des déviations. C'est de là qu'on a fait un peu les chauffeurs, comme il y a trop de circulation, les chauffeurs ont monté un peu les tarifs de 125 à 200 francs au niveau de Kouataï. Mais présentement, c'est fini. C'est à 125 francs la course grand marché, petit marché, Kouataï, Katako, Kouataï, c'est à 125. On, le, on, le, on, prend même des fois à 100 francs, 100 francs. Monsieur le secrétaire général du Syncobis, est-ce que les clients ne sont pas rares Est-ce que les clients sont là Les clients sont toujours à tout moment. Surtout les aides de descente, on n'arrive même pas à les transporter. Il y a trop de clients les heures de descente et les heures de, de, rentrée au service. Vraiment, les véhicules ne suffisent même pas à ce temps-là. C'est dans l'après-midi que vraiment c'est un peu mou, on n'arrive pas à avoir des clients. Donc ça veut dire qu'on arrive à gérer les prix de versement Oui, on arrive à gérer, c'est une obligation pour le conducteur parce que lui aussi il cherche un peu là où nourrir sa, sa famille aussi dans ça. C'est abordable vis-à-vis de nos patrons. Bah, mais il y a d'autres patrons vraiment qui ne comprennent pas. mais il y a des autres qui comprennent comment va le monde. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vos militants ou vos membres sont satisfaits du travail qu'ils sont en train de fournir aux citadins ah Oui, toute personne est satisfaite de son travail dont il gagne le, gain et le pain. C'est normal d'être satisfait. Ils sont très, très satisfaits de leur boulot. Monsieur le secrétaire général du Syncobus, Moussa Nobila, le plus souvent, euh, certains de vos passagers euh, disent qu'ils sont victimes de vol. Selon vous, comment y mettre fin Là, là, il y a un problème au niveau de nos gares parce qu'il y a des bandits, il y a des voleurs qui s'infiltrent dans nos véhicules pour voler. Sinon, deux fois, tu, fais, tu mets une marchandise dans le coffre du véhicule après avoir rentré, le voleur retire la marchandise et puis on part comme ça. On a l'habitude de payer beaucoup. Même la fois passée, on a payé un bidon d'huile à 15, 17 000 ou bien c'est 15 000 francs. L'apprenti a mis le bidon, après le voleur a retiré le bidon. Il est parti comme ça. C'est une obligation pour nous que l'apprenti a déjà mis le bagage dans le véhicule. C'est une obligation pour nous de payer le client. On a bien payé le client. Monsieur le secrétaire général de Syncobus, est-ce qu'il est facile de mettre fin à la prise de stupéfiants Il est facile, ça, ça dépend. Ça, c'est l'autorité qui doit s'en charger. Et la police est là, ils ont leurs enquêteurs, ils doivent mettre des gens en place pour surveiller, pour la surveillance de celui qui vend et celui qui boit. On n'a qu'à les amener et puis les, les enfermer. Euh, selon vous, comment faire euh, pour mettre fin à cette... Euh, selon nous, il faut placer de la police en civil. Les polices, il faut des agents. Des agents de, renseignement. Des, agents de renseignement qui vont veiller à chaque fois pour ça. Au niveau des, des gens qui vendent le café et console là, dans les gares. Daniel Mainestra, directeur général de la Société des transports urbains à Niamey, soutenu. Concernant les solutions immédiates, faut-il ou pas autoriser l'exercice des tricycles et les taxis motos communément appelés kabukabu? Alors, euh, je ne sais pas si vous parlez du Nigeria ou du Niger. Oh, ici à Niamey Oui, parce que nous, à Niamey, on ne peut pas... je dis, faut-il euh, autoriser ou pas euh, pour un peu soulager les, populations, les citadins Moi, je pense que si nous, nous, nous, prenons, nous ne prenons garde et qu'on utilise les tricycles ou même les motos comme transport urbain, nous allons au-devant des accidents. Nous avons au-delà de beaucoup de problèmes parce qu'en ce moment, la circulation ne peut plus être contrôlée. Donc, il faut un peu faire attention et réfléchir à ce genre, à ce mode de transport. Pour moi, ce mode de transport est valable dans les, dans les campagnes, les petites villes, etc. Mais dans une capitale comme Niamey, où nous voulons embellir la ville, nous sommes en train d'arranger la ville, nous ne pouvons penser, nous ne pensons pas qu'en tout cas que c'est une bonne chose d'autoriser des tricycles dans le, dans le mode de transport au niveau de certaines capitales telles que Ouagadougou et Cotonou, euh, il y a les kabou comme il a appelé les Amigans et autres euh, Vous savez, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Hein. Moi, je pense qu'au Niger, vraiment, c'est un peu, c'est un peu plus, euh, plus difficile de mettre ces genre de transport-là en place parce que euh, au Benin euh, ils ont mis ces genre de transport d'ailleurs qui, qui, qui, a tendance aujourd'hui à, à, regresser, à diminuer, et les problèmes euh, Qu'engendre ces kabou sont, sont, extraordinaires. Il y a tellement de problèmes dans ce domaine-là. Donc, euh, nous n'allons pas encore nous permettre d'amener des problèmes encore où il faut régérer. La meilleure solution, c'est de pouvoir faire du transport urbain comme ça se fait dans toutes les grandes villes c'est-à-dire avoir des autobus, avoir des taxis pour pouvoir en tout cas gérer le transport urbain dans une capitale. Mais on ne peut pas gérer le transport urbain dans une capitale avec des motos ou des vélos. C'est pratiquement impossible. Moi, à mon sens, ce n'est pas possible. Moussa Nobila, secrétaire général de selon vous, faut-il ou pas autoriser l'exercice des tricycles et les kabou ici nous, à Niamey Nous, au niveau du transport urbain, on a un collectif de syndicats, de 27 syndicats, on a toujours rejeté cette idée-là. Les tricycles, les motos kabou là, vraiment, on le rejette et on le condamne, même jusqu'à preuve contraire demain. On ne va pas accepter à ceux qui travaillent dans la ville de Niamey parce qu'ils vont causer beaucoup d'accidents, d'énormes accidents. Il faut faire la comparaison, voir la plupart des accidents, c'est les motos. Quand vous voyez dans la ville de Niamey, quand vous voyez beaucoup d'accidents, c'est les motos. Il faut, il, faut, il faut aller au ministère des Transports pour voir les statistiques, voir. Les accidents des motos sont plus que les véhicules même. Donc il faut faire ce constat au niveau de là pour faire la différence. Selon vous, la cause de ces accidents, on va en venir aux accidents, est-ce que c'est l'excès de vitesse, est-ce que c'est la prise de stupéfiants ou bien est-ce que c'est l'insolence au volant non, je dis au niveau des, de nos conducteurs, vraiment, on est en train de les organiser et de les sensibiliser sur ce point-là. Mais deux fois, il y a des motos, il des motos, des motocyclistes qui, qui ne prennent pas, qui ne savent même pas conduire la moto, qui ne sait pas le code. ils rentrent, ils roulent seulement de tort à travers, ils essaient de doubler de droite à gauche. Vraiment, c'est ça qui provoque les accidents. Daniel Menassara, directeur général de Sotouni. Comment, selon vous, comment faire euh, pour y mettre fin à ce cycle infernal d'accidents à Niamey Bon, vous savez, chacun a son travail dans ce domaine-là. Nous, nous pensons que ce travail-là revient à la, police parce que euh, il faut que la police soit un peu partout. On ne dit pas de mettre un policier derrière chaque cycliste ou derrière chaque conducteur, mais nous pensons que euh, il y a un manque notoire du respect du code de la route et le respect du code de la route, personne ne peut euh, faire respecter le code de la route que la police. Il n'y a que la police qui peut vous faire respecter le code de la route. Donc nous pensons que euh, dans ce domaine-là, il appartient à la police maintenant de faire beaucoup de sensibilisation et avoir un peu de policiers un peu partout pour regarder, réglementer la circulation dans la ville, dans une, dans une capitale. Au besoin, parce que nous ne sommes pas peut-être assez développés, au besoin avoir des caméras euh, pour pouvoir identifier certaines personnes, mais malheureusement, nous n'avons pas toutes ces structures en place, etc. Maintenant, les structures que nous avons, c'est le respect du code de la route. Si on respecte pas le code de la route, naturellement, il y aura toujours d'accidents. Et pour faire respecter le code de la route aussi, il n'y a pas que la police seulement, il faut un travail de sensibilisation à la radio, à la télé, à la radio, à la télé, faites du travail de sensibilisation. Parce que, comme l'a dit le secrétaire du, du syndicat, aujourd'hui, quand vous regardez à Niamey, la plupart des accidents de la circulation sont des motos. Alors, comme il l'a dit, effectivement, si on dit qu'on va mettre des tricycles encore dans la ville de Niamey, mais ça va être un cauchemar. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est tout simplement la sensibilisation au niveau du code de la route et la sensibilisation en général. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, Monsieur le Directeur rapidement le, Ce que j'ai ajouté, c'est de dire, de, dire à la police vraiment de veiller toujours à leur contrôle et de contrôler et surtout le niveau au, niveau de nos véhicules vraiment la mairie aussi a sa part là-dedans parce que négligent ils négligent les, paiements des mensualités des, des, des, numéros de portière. Parce que vraiment, il y a d'autres qui payent, il y a d'autres qui ne paient pas. Et il y, a le, le, y a deux ou trois véhicules qui portent le même numéro. Vraiment, c'est un danger pour nos, pour nos conducteurs. Et il y, a il y a beaucoup de conducteurs qui se plaignent au niveau de, du syndicat. Vraiment, on n'a pas les moyens de, de les empêcher. Il y a la mairie qui doit prendre ses responsabilités et de veiller à ce que chaque véhicule a son numéro et chaque numéro a son véhicule. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec euh, Daniel Mainestra, directeur général de la Société des transports urbains à Niamey euh, soutenu. Nous étions également avec euh, Moussa Nobila, secrétaire général du syndicat national des conducteurs de minibus, communément appelé Fabafaba 5 Bus. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence, du 31 radio partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.